Nous sommes vendredi 4 octobre 2024. mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalongu et bienvenue dans ce nouveau numéro du Forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève avec nos confrères des médias du Niami. Ce soir, les sujets de notre forum de la presse s'articulent autour de la création par le gouvernement nigérien de deux nouvelles sociétés minières pour assurer l'exploitation souveraine des ressources minières du Niger. Ensuite, les campagnes mondiales dénommées Octobre Rose et Novembre Bleu qui se tiennent du 1er octobre au 30 novembre 2024. Nous verrons les activités organisées ici au Niger à l'occasion. Enfin, l'interdiction par l'administrateur délégué de la à ambulatoire de la paille et du bois de chauffe de la ville de Niamey pour des raisons sécuritaires. Pour décrypter ces sujets, je reçois Hassan Boukar, journaliste à la radio Alternative. Bonsoir. Bonsoir. Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir, Madame présidente. Je suis Nafis Adam Sirfou à la modération. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Nous débutons avec euh, un sujet santé. Le 1er octobre a débuté la campagne mondiale dénommée Octobre Rose, une campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein. Au Niger, au-delà d'Octobre Rose, la campagne Novembre Bleu est également lancée jusqu'au 30 novembre 2024. Deux mois de cause, une mission, des séances de dépistage gratuit du, du cancer du sein, de l'utérus et de la prostate sont organisée dans plusieurs sites. Écoutons Dr Sissé Ramtelaya de la clinique Afwa. Elle est au micro de Asmana Aboubakar. Octobre, c'est le mois dédié à la cause du cancer du sein. Novembre, à celui des cancers masculins, notamment la prostate. Nous, cette année, nous avons combiné les deux, octobre et novembre, parce que novembre, très peu de personnes le connaissent. C'est pour que novembre puisse bénéficier de la crédibilité et de l'aura de octobre. Nous avons fait octobre rose, novembre bleu, deux mois, deux causes, une mission. En dehors donc des dépistages qui vont se faire tous les jours de la semaine, de 9h à 17h à la clinique, nous avons une une unité mobile qui va sillonner Niamey et ses environs pour être au plus près des communautés et pouvoir faire du dépistage. Le message que nous portons depuis quatre ans soit davantage amplifié pour que les gens comprennent l'importance du dépistage et que les gens se mobilisent le plus. Parce qu'un cancer dépisté tôt, c'est un cancer qui se soigne. Alors, euh, un cancer dépisté tôt, c'est un cancer euh, qui se soigne. Donc, euh, c'est à l'occasion donc du lancement des activités de l'Octobre Rose le 1er octobre à la clinique à Afwa. Et nous venons donc d'écouter la directrice même de la clinique à Afwa, docteur Sissé Ramtoulaye. Abdoulaye, je commence avec vous. à l'occasion donc de ce mois, des activités sont entreprises telles, que les dépistages gratuits. Vous, quelles sont vos appréciations sur ces activités entreprises au Niger pour célébrer Octobre Rose Oui, les activités sont d'une grande importance et s'imposent, étant donné qu'au plan mondial, euh, le mois d'octobre est considéré comme mois réservé exclusivement au plan sanitaire sur euh, la lutte contre le, cancer. du sein, il faut le préciser, mhm. avant d'être maintenant étendu sur euh, euh, le cancer du col de l'utérus, euh, le cancer de la prostate, ça, c'est l'homme. Voilà. Ça, vous comprenez. Donc, ça, ça rentre dans le cadre du, du mois de novembre, de novembre bleu, mhm. qui va suivre avec, euh, après octobre bleu. Effectivement, euh, la dame vient de dire, la directrice de la clinique à foi, qu'il faut le reconnaître, a fait un geste vraiment salutaire. Le fait de prendre à bras le corps euh, cette euh, journée et ce, ce mois mhm. et des activités n'est-ce pas, de dépistage gratuit, dans, sa, dans, clinique. Moi, j'ai été de passage avant-hier vers là-bas, aux alentours de, 11 heures. J'ai vu vraiment euh, l'affluence au niveau de la clinique à fois. Hmm. Alors, euh, le cancer dépisté tôt, il faut dire, il faut dire sincèrement que c'est des acteurs de communication, hein, hmm, hmm, indépendamment même de cette euh, option de dépistage gratuit et de mouvements ambulatoires dans la ville de Niamey pour pouvoir. Euh, oui, et justement, ce sont dans les grandes villes que ces séances généralement sont effectuées. Mais qu'en est-il aujourd'hui du cas des femmes en milieu rural qui n'ont pas l'accès oui, euh, il faut dire selon ce que moi j'ai lu dans euh, les informations que j'ai reçues à travers mes recherches, c'est que le cancer de sein généralement touche en grande partie les femmes de milieux défavorisés qui se trouvent généralement dans les villages dans les, les, campagnes. Mm. Alors, et si elles sont, euh, elles sont loin de la capitale des grandes agglomérations, c'est qu'il va falloir désormais penser à elles pour également faire un déplacement vers, euh, euh, vers, elles mm. et pour pouvoir porter le message d'abord de la sensibilisation et étant donné qu'il y a ces dépistages gratuits, si éventuellement c'est possible de tenter également de, faire le dépistage. La dame vient de dire qu'un cancer dépisté tôt a de fortes chances, n'est-ce pas, d'être guéri. Hmm. Le cancer étant perçu comme étant une maladie vraiment euh, qui qui condamne généralement son, son patient, hmm. mais il faut le reconnaître, il y a ce message d'espoir qui dit que désormais, le cancer est guérissable et surtout s'il si est, il est dépisté tôt, mhm. de façon précoce. Alors, merci Abdoulaye euh, Hassan Boukar. Octobre rose, novembre bleu, euh, ce sont donc des campagnes mondiales euh, donc pour lutter contre les cancers en général, et que ce soit en particulier le cancer du sein, du col de l'utérus et de la prostate. Vous, comment vous avez abordé peut-être ce mois, le début de ce mois de, de lutte je pense que je vais insister sur un aspect qu'Abelaya a évoqué, mm. notamment le cas des femmes en milieu rural. Alors, la ville, c'est déjà un milieu privilégié. Les gens ont plusieurs canaux pour s'informer, mais ils ont aussi les, les services de santé. Mm-hmm. En milieu rural, non seulement l'information est rare, mais aussi les services de santé ne sont pas toujours au rendez-vous. je pense que c'est important vraiment de porter cette campagne dans les milieux ruraux. Euh, nous sommes un pays où quand même la majorité de la population vit en milieu rural. je pense que c'est vraiment important que les gens en milieu rural puissent être informés. Surtout l'avantage, comme le dit le spécialiste, c'est que quand c'est détecté tôt, il y a la possibilité de les guérir. Donc je pense que c'est vraiment un avantage. Et il faut, faut vraiment que les femmes soient, soient bien informées. Parlant des femmes, selon euh, certains agents de santé qu'on a eu à interviewer, mm. euh, la majorité des femmes euh, ne veulent pas se faire dépister. Selon vous, qu'est-ce qui bloque certaines femmes à, vouloir, aller se faire dépister À mon avis, c'est une insuffisance d'information. Mm. il, faut, il faut surtout leur montrer l'avantage qu'il y a à se faire dépister. C'est-à-dire qu'il faut leur montrer Déjà que quand c'est dépisté tôt, on peut guérir. Donc euh, le fait de refuser peut condamner une femme. C'est-à-dire que euh, lorsque vous refusez de vous faire dépister, ça, à un cas, voilà, euh, ça peut arriver à un moment désespéré, hmm. un moment désespéré. Donc c'est vraiment la, victime qui peut le procasser. Donc à mon avis, c'est surtout sur la communication qu'il faut insister. Prendre le mois d'octobre qui est aussi euh, une toute une campagne mondiale, octobre-novembre, c'est bien. À mon avis, il y a des services qui s'occupent de la lutte contre le cancer dans notre pays. Mm, ces services devraient continuer à travailler. Dans les milieux ruraux, c'est peut-être un avantage. Hein. Je mm. pense qu'il faut que les gens l'exploitent. On a, je crois, au moins une centaine de radios communautaires dans ces pays. Au moins une mm-hmm. centaine. Mm-hmm. Donc, c'est hors les, je parle des radios communautaires parce que c'est avant tout des radios de proximité à travers ces radios, il y a la possibilité de parler aux gens directement dans leur langue. Donc, au-delà du mois d'octobre et de novembre, à mon avis, il faut continuer, par exemple. On peut avoir, voilà, on peut avoir des campagnes pendant six mois, pendant un an, pourquoi pas, mm. pendant lesquelles on essaie d'informer à la fois les femmes et les hommes aussi, puisque les hommes aussi sont concernés par le cancer de la prostate. Donc, à mon avis, il faut surtout utiliser les médias euh, notamment des médias communautaires, pour euh, renforcer la, communication. Je pense que plus les gens sont bien informés, mieux ils accepteraient de se faire dépister. Mhm. Donc, pour l'instant, certains peuvent résister. Je pense que c'est peut-être euh, un déficit d'information. Si mhm. l'information circule bien, je pense que ça peut aller. Vous parliez des centres de santé qui existeraient. Justement, ici, on a un centre national de lutte contre le cancer. L'idée que j'ai, c'est de dire, au moins pour le dépistage, mhm. j'imagine que normalement dans les hôpitaux, les gens peuvent se faire dépister. Ici, euh, vous l'avez dit, un centre spécialisé. Je pense que les, milieu rural, c'est-à-dire les, simples infrastructures sanitaires manquent en milieu rural. Donc, ce qui fait que euh, il faut continuer à sensibiliser les gens de façon à ce que par exemple, celles qui ont la possibilité qu'elles acceptent de venir dans le centre spécialisé se faire dépister. Mhm, mhm, mhm. Donc là, c'est seulement une bonne communication, une bonne sensibilisation qui peut pousser les femmes à venir. Parce qu'on voit quelquefois les coûts. C'est comme si vous dites à quelqu'un qui est en bonne santé d'aller faire un bilan de santé. Bon, c'est pas tout le monde qui accepte de le faire. Hein. Les gens euh, se demandent est-ce que c'est vraiment nécessaire. Sauf que, il s'agit de la santé. Le problème de la santé, c'est que euh, lorsqu'on ne privilégie pas la prévention, on peut arriver à une situation où la guérison n'est pas possible. Mm, mm, mm. Donc, à mon avis, il y a déjà quelques infrastructures sanitaires euh, en région, mais ces infrastructures sont largement insuffisantes, tout le monde le sait. Donc, celles qui ont la possibilité de venir déjà dans le centre spécialisé, c'est une bonne chose de venir le faire, mhm. mais au moins aller dans des hôpitaux, faire le. Voilà, essayer déjà de, se faire. Alors, Abdoulaye Hassan Boukar estime qu'il faudrait vraiment euh, mettre l'accent sur la question de la sensibilisation pour vraiment euh, permettre à toutes les femmes euh, d'aller se faire dépister, parce que, comme l'a dit le docteur, un cancer dépisté tôt peut être guéri. mais vous, selon vous, est-ce est-ce que les coûts même des soins euh, sont à la portée de tout un chacun aujourd'hui Bon, je n'ai pas vraiment connaissance euh, du coût, mhm. mais j'estime que le cancer étant une grave maladie, et sa prise en charge vraiment nécessite beaucoup de, moyens. Je crois comprendre que euh, il y a comment ce qu'on appelle la chimiothérapie. Le ministre de la Santé en a parlé dans son message de circonstances euh, par rapport au concernant ce mois d'octobre rose. Mm. Il a parlé de l'acquisition de, nouveaux matériels, euh, de scanners euh, et également euh, bien d'autres. Hmm. Bon, j'estime que effectivement, vraiment, si le plateau technique a été a été vraiment euh, revu, hmm. n'est-ce pas Mais par rapport au coût, j'estime que ça peut être relativement vraiment inaccessible pour le citoyen à faible, à, à revenu moyen. On peut bien peut-être améliorer, oui, bien sûr. Comme euh, récemment, le gouvernement a eu à prendre en charge euh, le cas de la dialyse où des frais ont été carrément euh, supprimés, à savoir, comment est-ce qu'on appelle, il y a un montant qui a été même supprimé, mm-hmm. n'est-ce pas, dans le cadre du traitement de, de la une, sorte, de, mhm. qu'on paye, n'est-ce pas Donc, euh, ce qui fait que le gouvernement pourrait, n'est-ce pas, penser également euh, au niveau du Centre national de, la, lutte contre le cancer, de prendre en charge les patients qui ici, qui s'y présentent. Surtout que le cancer même, il n'y a pas que les femmes, euh, les enfants. Les, enfants également sont des personnes vulnérables parce qu'on trouve euh, le cancer pédiatrique aussi. tout à fait, mhm. tout à fait. Les, les, les, trucs sont là, les données sont là, il y a, les enfants sont, sont touchés, mais la quasi-totalité des patients se retrouvent dans la gente féminine au-delà de, de, 50 ans mhm. et pour euh, le cancer du sein. Et pour les hommes, à partir de 40 ans déjà, ils commencent à avoir à développer développer des signes de cancer de la, de la, de la prostate. Mhm. Alors, prise, euh, et, la communication étant le maître euh, mot aujourd'hui, le moyen le plus sûr, n'est-ce pas, de mhm. pouvoir tendre vers un traitement adéquat de ce de, de, cancer. Mhm. Pour la femme, je veux insister sur, sur la femme à travers le, la mammographie. La mammographie, si la femme, la, la, femme sent déjà une boule au niveau mhm. de, de, son sein et que, bon, elle peut se dire, ah, c'est une alerte, est-ce que ce n'est pas, ce n'est pas euh, un signe déjà de, cancer. Mais là aussi, il faut nécessairement qu'elle soit, qu'elle sache que ce genre de, boule, n'est-ce pas, peut provoquer le, cancer. Donc, mhm. a pas qu'elle fasse elle-même son autopalpation à la maison, même, oui. non, mais il faut qu'elle soit même informée d'abord. Justement, c'est ça, ce qui fait que, ce qui fait que ça revient toujours à cette, idée, n'est-ce pas, donc de mhm, mhm. communication, de sensibilisation pour que, n'est-ce pas, les potentiels. On est tous exposés dans tous les cas, aussi bien la femme que l'homme, on est tous exposés. Alors, euh, Hassan Boukara, au-delà donc de la sensibilisation dont vous venez d'évoquer au niveau gouvernemental aujourd'hui, euh, on doit revoir la question des coûts de soins ici au Niger pour permettre, pour limiter. À mon avis, euh, il y a toujours des possibilités d'aider. Les personnes qui se retrouvent dans ce type de situation. Là, l'a évoqué, c'est le cas de la prise en charge de la dialyse. avec la dialyse donc pour les personnes malades. Je pense que, y compris pour le cancer, il y a toujours euh, des possibilités pour que le pouvoir public mhm. aide les gens à rendre les traitements beaucoup plus accessibles. Euh, là, selon la communication que j'ai entendue, c'est devenu aujourd'hui un des cancers les plus fréquents. Oui. Voilà, dans pays. Donc, ça devient, voilà. ça devient un vrai problème de santé publique. Mhm. À mon avis, de construire tout dans des cas aussi importants. Euh, je pense que les pouvoirs publics peuvent travailler à prendre en charge le coût. C'est De toute façon, on l'a déjà vu hein, dans d'autres domaines aussi, la barrière financière euh, pour l'accès aux soins, ça fait beaucoup de dégâts. Je pense que ce n'est pas par hasard qu'on est mhm. arrivé à la gratuité des soins de santé chez les, enfants. Mhm. Aujourd'hui, étant donné que ça devient une maladie pratiquement chronique, euh, très très fréquente, euh, on pourrait l'intégrer aujourd'hui parmi les maladies qui sont prises en charge gratuitement. Ça peut, ça peut arriver. On l'espère bien, voilà, souhaite ajouter un peu, mhm. c'est que euh, le centre dispose également d'une unité d'écoute et, d'échange, n'est-ce pas Voilà, mmh. d'écoute, n'est-ce pas mhm. Qui permet d'échanger avec, euh, avec euh, les, patients et mhm. leur remonter le moral, n'est-ce pas C'est déjà dire que, bon, en réalité, ils ne sont pas condamnés avant même qu'il y ait traitement. D'accord. Merci bien donc pour ce premier sujet donc à toutes et à tous. un cancer détecté tôt peut être guéri sur euh, les médecins. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre. Deuxième sujet de ce forum de la presse, le gouvernement nigérien a adopté le 19 septembre 2024 deux décrets portant création de deux nouvelles sociétés minières, l'objectif étant d'assurer l'exploitation souveraine des ressources minières du Niger. Mais quels sont les changements que cela pourrait apporter au pays et aux Nigériens Suivant à ce propos les explications de Ilyas Boubakar, membre du ROTAB, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Inter religieux par Rafi de aussi. Le changement que nous avons normalement le droit de nous attendre, c'est celui d'avoir une emprise sur l'ensemble de ces richesses-là que nous avons. Ça devient en fait des instruments de souveraineté parce que désormais ils auront la responsabilité non seulement d'exploiter mais aussi de pouvoir commercialiser. Donc à travers cette création, nous décidons d'être propriétaires réels de l'ensemble de nos richesses minières et pétrolières. Un autre euh, avantage, nous-mêmes, on aura la possibilité de transformation sur place. Il va y avoir de l'emploi pour beaucoup de Nigériens. Il va y avoir aussi beaucoup de richesses pour les Nigériens. Et plus les Nigériens vont se sentir dans la possibilité de pouvoir adresser les défis de la vie, qui sont les questions non seulement de l'éducation de leurs enfants, c'était là donc euh, Ilyas Boubacar, membre du réseau euh, des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire sur la question donc euh, de la création de ces deux nouvelles sociétés minières. Hassan Boukar, de votre côté, quelle est votre analyse que vous faites de la création de ces nouvelles sociétés Merci beaucoup. Je pense que, comme l'a dit le collègue de Rotab, euh, c'est une façon pour le Niger d'avoir davantage de la maîtrise mm. sur euh, ces domaines sur lesquels le pays compte beaucoup. C'est-à-dire que nous sommes un pays qui est riche en ressources de sous-sol. Mm. Je pense qu'il est temps que les pays prennent davantage les choses en main, à la fois euh, dans les dimensions techniques, mais aussi les dimensions qui consistent à faire profiter au pays mm. des retombées de ces, de ces sociétés-là. Je pense que sur le plan technique, on a exploité l'uranium sur plus de 5, 50 ans, depuis le début des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Il est temps vraiment que toute la chaîne d'expertise nécessaire pour l'exploitation, on puisse l'avoir. Euh, y compris pour l'or qu'on exploite depuis des années. Mais aussi l'autre dimension, c'est la capacité à transformer. Mm. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, une des faiblesses de la plupart de nos pays, des pays qui sont riches en matière de sous-sol, c'est que nous ne sommes pas capables de les transformer. Mm. Donc nous, on s'arrête à une étape. Ceux qui achètent nos matières premières, les transforment, c'est eux qui ont la plus-value. Mm. C'est-à-dire, euh, euh, vous vendez du des cacao, ceux qui font le chocolat, c'est eux qui ont la plus-value, c'est eux qui ont l'argent. Donc, à mon avis, euh, à l'image de certains pays voisins, je pense que le Burkina, c'est aussi, voilà, ils se mhm. sont lancés un peu dans, un, dans une initiative de transformation de, voilà, de l'or. Je pense que le Niger, peut essayer aussi d'aller sur ce terrain-là, parce que vous ne pouvez pas maîtriser si vous vous arrêtez à une étape de la chaîne. Mm, mm, mm. Il faut donc avoir une maîtrise sur l'ensemble de la chaîne qui permet à la fois de maîtriser les dimensions techniques, comment faire l'exploitation, comment transformer, etc., mais aussi être capable de, de, vendre. à un moment, euh, vous avez des, des, firmes qui font la spéculation hein, sur, nos, sur nos produits. Mhm, mhm. Euh, ils font semblant d'acheter euh, un territoire dans lequel ils vont faire l'exploitation ils les mettent en veilleuse pendant longtemps, alors que le pays a besoin de ressources. Mhm. Tout cela arrive parce que nous n'avons pas une bonne maîtrise. Et le fait aujourd'hui qu'on s'engage davantage, on, peut, va aussi s'intéresser au marché. Par mhm. exemple, sur l'uranium, à un moment, il n'y a qu'Areva qui maîtrisait le marché. Mhm. Nous-mêmes, ce qui est censé revenir au pays, c'est Areva qui les vendait et c'est l'argent qui revenait au Niger. Donc, cette fois-ci, à mon avis, ça permet au Niger d'avoir une emprise totale sur le secteur à la fois sur les dimensions techniques, mais aussi sur comment tirer meilleur profit, n'est-ce pas, de cette source. Bon, mm. euh, comme, il l'a dit, ça, va aussi créer de l'emploi dans mm-hmm. le pays. Mm-hmm. Euh, regardez par exemple euh, si le Niger avait la capacité de transformer l'uranium, n'est-ce pas, en nucléaire civil, au moins pour l'électricité et tout ça, mhm. ce serait un avantage énorme pour ce mhm, pays. Mhm, je pense qu'il il y a un moment pendant lequel il faut se lancer dans tout ça. Et puis, je pense qu'avec la, la bonne volonté, on peut arriver, n'est-ce pas, à tirer meilleur profit de nos ressources. Oui, on sait qu'au au Niger, nous avons vraiment euh, de nombreux sites orifères même euh, qui sont exploités de manière anarchique. Aujourd'hui, cette décision euh, elle, pourra peut-être changer, recadrer le secteur. Tout à fait, elle peut permettre aujourd'hui de mieux, de mieux valoriser. Hmm. Mais peut-être aussi, on peut l'espérer, l'effet de créer une société, ça permettrait, n'est-ce pas, de voir un peu plus clair dans l'exploitation je, pense que si je prends le cas de l'or, il y a souvent des histoires hein, sur l'exploitation de l'or. je me rappelle euh, d'un rapport d'enquête parlementaire, ça date pendant la Ve République, je crois, mhm. qui montrait déjà qu'en termes d'exonération fiscale, l'État dépensait beaucoup d'argent et que les retombées de l'eau sur les caisses de l'État étaient souvent en deçà de ce que nous-mêmes, c'est à quoi nous avons renoncé. Mhm. Donc, le fait qu'il y ait une société, il faut aussi espérer que ça permette euh, plus de transparence dans mhm. l'exploitation de l'eau dans, le, domaine. Mhm. Comme ça, euh, comme vous le dites, euh, pour tous ces sites où il y a une exploitation artisanale, ça permet peut-être de mieux rentabiliser ces sites, que tout cela l'État puisse évaluer davantage les stocks disponibles mhm, mhm. et que tout cela soit transformé. Merci bien. Alors, Abdoulaye, de votre côté, deux nouvelles sociétés aujourd'hui qui vont permettre d'avoir une emprise sur les richesses du pays. Quels sont les défis qu'elles doivent relever Oui, les défis, c'est fondamentalement le fait de faire en sorte que l'économie soit euh, boostée avec euh, ce qu'on aura à gagner avec euh, ces deux sociétés. Le défi, c'est également que les retombées puissent euh, euh, comment je vais dire, être bénéfiques, bénéfique n'est-ce pas, pour tous et distribuer de façon équitable et pour dire, pour emboîter un peu, pour emboucher l'intervenant, le, le, tout ça là, hmm. de faire en sorte que l'éducation, la santé, les secteurs prioritaires, n'est-ce pas, du Niger puissent avoir euh, les moyens nécessaires pour que les Nigériens puissent aller à l'école euh, tous et se, soigner également euh, très bien. Hmm. Voilà. Mais je, pense que euh, on, peut regarder la, la SONIDEP dans le domaine du pétrole. Mm. Euh, on, a créé très tôt la SONIDEP qui est devenue aujourd'hui, par exemple, quand on a créé la raffinerie des Anders, c'est vraiment euh, l'interlocuteur des, Chinois pour aller discuter dans ces domaines. Parce que mm-hmm. bon, c'est quand même une société qui a développé une certaine expertise, n'est-ce pas, en s'intéressant à ces domaines depuis, depuis des années. Je pense que dans le domaine du, pétrole euh, et de l'or, euh, dans le domaine de l'uranium et de l'or, on peut aussi arriver à quelque chose de ce type. C'est-à-dire qu'une société qui a d'abord une meilleure connaissance des richesses, mm-hmm. ne vous faites pas d'illusions, hein. quelquefois n'a pas encore une maîtrise totale des stocks de certains minéraux, de certaines ressources de sous-sol qu'on a dans notre mhm, pays. Mhm, mhm. Une société peut travailler, n'est-ce pas, à mieux connaître la, teneur de sol en tel ou tel minéraux, dire davantage sur le stock disponible dans le pays et ça permet de dire ce dont nous disposons nous-mêmes. On peut, euh, il y a des moments où euh, des de vastes territoires sont donnés à des entreprises, par exemple pour faire la prospection. ces sociétés avec les moyens de l'État, on peut aussi espérer qu'un jour, elle se lance davantage dans la prospection, de façon à ce que le Niger puisse dire déjà, voilà les stocks disponibles pour telle ou telle euh, ressource du sous-sol. Maintenant, on peut toujours travailler avec des entreprises qui les exploitent et, et, tout, ça. Mhm. Donc, même dans le cas où on fait travailler des entreprises, à mon avis, ces sociétés-là, elles ont la possibilité d'avoir une maîtrise et de mieux défendre les intérêts du Niger. Mhm. Parce que pour l'instant, euh, ces sociétés ont plus d'expertise que, nous hein, dans certains domaines. Quand elles arrivent, ce sont elles qui ont l'expertise. Et donc, face à des gens plus compétents, parfois tu as du mal à défendre véritablement l'intérêt de ton pays. Mhm. Et donc, à mon avis, il faut vraiment avoir, regardez par exemple dans le domaine du droit, Parfois, on a des contentieux avec des sociétés qui sont engagées. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le domaine du droit, on a une réelle expertise, par exemple, euh, des conseils qui peuvent véritablement défendre nos intérêts mhm. Tout cela, euh, autour d'une société, à mon avis, on peut réfléchir, envisager tout ça et faire en mhm. sorte qu'on soit mieux préparé désormais afin de tirer profit de nos ressources. Oui, je le disais euh, plus haut, Abdoulaye, que nous avons aujourd'hui au Niger beaucoup de, euh, sites orifères qui sont exploités anarchiquement. Euh, donc, avec cette décision, au-delà de cette décision de créer de nouvelles sociétés, comment nos, autorités doivent s'y prendre aujourd'hui pour recadrer et faire avancer le secteur minier du pays Bon, le secteur minier, c'est dans son ensemble. Oui si, si, si on parle de ces deux secteurs, notamment surtout euh, l'or, la société Orifère, on vient, mais vient de le dire, vous-même vous, l'avez dit mhm. tout à l'heure, c'est que l'or depuis longtemps a été exploité de, façon euh, artisanale, de mhm. façon anarchique, et les retombées de, les revenus de ce or là on ne sait pas là où ça, ça, dans les, poches de qui ça, partait, tout ça, l'État n'avait rien reçu de ça, le fisc également. Donc avec euh, la nouvelle société euh, qui va gérer notamment désormais l'or, c'est que l'État aura quand même un, regard sur euh, sa production également avoir de l'argent pour, que, pour faire booster donc euh, l'économie. Mhm. Donc d'une manière générale, on est en train de, de, progresser petit à petit vers euh, comment appelle la prise en main, la, la prise en main de ces ressources euh, minières. On a vu avec le pétrole, on commence maintenant avec, l'or et l'uranium. Mhm. Le projet de décret a été pris en Conseil des ministres le 19 dernier. septembre. Le septembre dernier. Et on attend de voir le euh, le, décret d'application avec les sociétés qui vont se bousculer, en, tout cas auxquelles, les sociétés auxquelles on va attribuer ce, marché pour pouvoir exploiter l'or et l'uranium. Pour que ça soit euh, bénéfique, euh, surtout bénéfique pour tout Nigérien. et je crois que même ça participe même d'une certaine justice sociale. Le Conseil national de la sauvegarde pour la patrie, quand il a revu à la baisse le prix du litre du carburant à la, à pompe, mm-hmm estimé que c'est vraiment une certaine justice sociale. Le mm n'attend que ça, mhm. être vraiment euh, vivre de ce que le pays, le pays euh, profiter, n'est-ce pas, donc des, des ressources et vivre relativement mieux. Merci bien. Dernier sujet de ce forum de la presse de ce vendredi 4 octobre 2024, dans un communiqué euh, publié le 28 septembre dernier, signé par l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Boubacar Soumana Garantier, il est interdit la vente ambulatoire de certains produits comme la paille, du bois, du chauffe et tout autre matériau précaire de construction, d'élevage, de qui sont de même l'accès au centre-ville de Niamey au charretier et chamulier. Cela pour des raisons sécuritaires, car selon l'administrateur délégué, la ville de Niamey, épicentre de la lutte héroïque du peuple nigérien pour la reconquête de sa souveraineté et de sa dignité, fait de plus en plus l'objet de menaces sécuritaires graves et concordantes. Abdoulaye, comment vous appréciez la décision de l'administrateur délégué de la ville de Niamey C'est une décision qui vient à point nommé. Niamey, pour l'instant, la capitale, et contrairement aux deux capitales que de la Confédération, de mhm. l'AES, à savoir euh, Bamako, donc au Mali, et Ouagadougou, au Burkina Faso, n'a pas encore euh, été la cible mhm. des, terroristes. Mhm. Quand bien même, par ailleurs, euh, il y a eu à mettre la main sur des gens, des groupes de bandits qui tenteraient quand même de vouloir euh, un peu euh, créer un peu de des troubles, n'est-ce pas, dans la, dans, la, dans, la, capitale. Et cette, euh, ce communiqué, c'est un communiqué donc, du, de l'Observatoire délégué de la ville de, de Niamey à l'endroit de la population, mm. a commencé d'abord par les quatre autres les cinq autres mhm. administrateurs euh, délégués, chacun dans, son, dans sa sphère euh, d'action, pour que désormais la question sécuritaire soit davantage prise à bras le corps hein, de mhm. façon accrue. C'est vrai, et depuis, que, depuis, le 23 juillet, depuis le 23 juillet 2023, à ce jour, le Niger est en train d'affirmer sa souveraineté. Alors, si la menace, elle est là, elle est présente, elle est, elle, est, il faut prendre les dispositions, n'est-ce pas, en amont. Mm. Alors, cette, euh, cette décision de d'empêcher, n'est-ce pas, d'interdire l'accès aux charretiers et, aux vendeurs de, bois, n'est-ce pas, à la ville de, de Niamey, et juste. sans vous, couper la parole, sans vous couper la parole aujourd'hui, pourquoi les vendeurs euh, de la paille, pourquoi les charretiers, pourquoi les chabeliers, pourquoi les interdire d'accès à la ville non, parce que les terroristes aujourd'hui, on ne peut pas l'identifier. Hmm. Et souvent, ils s'identifient dans, dans, dans, un, certain, dans un, un accoutrement hmm. plus ou moins euh, précaire. Bon, <laughs> en rayon, quelque chose comme ça, n'est-ce pas, qui font en sorte que bon, on ne peut pas les identifier comme étant des potentiels euh, terroristes. Mm-hmm. Vous comprenez Donc, euh, je crois que c'est dans cette euh, vision que bon, il faut prévenir le mal et que bon ces gens-là pourraient être considérés comme étant des suspects, mhm. n'est-ce pas Vous comprenez D'accord. Alors, Hassan Boukar, euh, est-ce que, comme euh, Abdoulaye, euh, vous êtes d'avis que cette décision vient à point nommé Quelle est votre appréciation, vous hmm. Merci. écoutez, je considère que après les événements qu'on a vus à Bamako, donc dans la sous-région, tout le monde est en alerte. Euh, l'image des terroristes qui viennent dans une ville, qui prennent en otage des gens, dans une école, qui, qui attaquent un aéroport. Évidemment, c'est une question délicate qui fait réfléchir tout le monde. Et donc, on peut s'attendre à ce que les pouvoirs publics euh, essaient de prendre des mesures en vue de mieux sécuriser les centres urbains. Maintenant, euh, on a ciblé les vendeurs ambulants de bois et de paille. Mm-hmm il y a peut-être euh, une raison euh, pour laquelle euh, cette, cette catégorie a été, ciblée. voilà, c'est vrai que c'est difficile de savoir qui rentre ou qui sort d'une ville. Bon, peut-être aussi que les pouvoirs publics ont des informations qu'ils n'ont pas, ne veulent pas divulguer. Sinon, on peut se dire, mais aussi, pourquoi pas d'autres catégories de mhm. personnes mhm. Parce que les, les malfrats, ils peuvent toujours utiliser divers canaux n'est-ce pas, pour euh, intégrer la ville et puis poser leur forfaiture. Mm. Donc il y a peut-être euh, des raisons. Moi, par exemple, je m'attendais un moment à ce que... En tout cas, dans la note, euh, il n'y a pas assez de précisions. voilà, pourquoi ces, personnes ont été ciblées en premier lieu. Oui. Mm, mm, moi, je pensais un moment, par exemple, qu'on pouvait prendre ce type de décision, rien que pour rendre beaucoup plus salubre la ville de Niamey. C'est-à-dire l'image des, des, troupeaux qui traversent le goudron, l'image de la paille, du bois. Et il y, y, a comme une sorte de désordre sur lequel on peut mettre un peu d'ordre. Donc on peut dire, par exemple, pour des gens qui veulent acheter du bois, à l'entrée de la ville, il y a des zones dans lesquelles ce bois sont stockés. On peut donc aller les, les chercher, etc. Mm. Évidemment, ça va causer des désagréments pour les plus pauvres. Mm. Parce que la ville a jamais grandi Si vous êtes au centre-ville, aller à la périphérie acheter du bois, mhm. ça fait une distance, euh, il faut forcément aller à taxi avec d'autres moyens de déplacement. Il y a tout cela, mais, mais je sais qu'une mesure comme celle-ci prendra certainement du temps. Oui, ben, dans le communiqué, ils ont précisé, comme vous venez de le dire, euh, que des espaces euh, leur seront réservés euh, au point d'entrée de la ville pour exercer leur activité. Mais aujourd'hui, comment cela va se passer Comment cette décision sera une effectivité Évidemment, c'est des situations. Je pense que ça va mhm. prendre du temps mhm, mhm. avant de se concrétiser. D'abord, il faut ceux qui sont sur les réseaux sociaux euh, sont informés, ceux qui écoutent la radio. Ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Euh, ceux qui sont en milieu rural et, qui viennent certains pour vendre de la paille ou du bois, il faut qu'ils soient véritablement informés pour que la mesure ait, ses effets. Mais euh, moi, je peux comprendre hein, qu'on travaille à sécuriser la ville parce qu'encore une fois, ce qu'on voit dans nos pays, c'est quand même des situations inquiétantes où la capitale elle-même elle n'est pas sécurisée avec des attaques et tout ça. Mais évidemment, ce type de mesures, quelquefois dans la pratique, ça peut aussi poser des défis pour leur mise, à, mise en œuvre. Mhm. Parce que là, quand on dit euh, aux entrées, à des endroits qui sont prévus, bon, euh, quelle est l'accessibilité de ces endroits mhm. pour les gens qui vont partir Est-ce que ça ne va pas rendre le bois de chauffe encore plus cher mhm et aussi, il faut renforcer peut-être la sécurité au niveau de ces sites aussi, de ces voilà. points Donc, euh, À mon avis, ça pose beaucoup d'interrogations. Euh, si l'idée derrière est de sécuriser, évidemment tout le monde a besoin de sécurité, mm. mais la question de, c'est de dire de façon pratique comment tout cela va se poser. Mm-hmm. Et, euh, je, pense que ça suscite beaucoup de questions. D'accord. Euh, oui, oui oh, peut-être que je pourrais juste ajuster comme quoi, peut-être que, et c'est vrai, la note n'a pas été explicite par rapport à ceux qui vont mettre en, exécuter ce, la décision. Mais je crois qu'il reviendrait aux forces de défense euh, intérieure, notamment la, la, police, de veiller à ce que euh, ceux qui sont concernés par la mesure de, de, la ville de, de l'administration déléguée de la ville de Niamey puisse puissent être euh, exécutés, mhm. notamment la, la, police par exemple. Mhm. Mais aujourd'hui, quelle doit être même l'implication des concernés, même quant à l'effectivité de cette décision Ils doivent coopérer parce que, comme l'a dit Hassan, il faut beaucoup plus de sensibilisation avant. mais je ne sais pas si ils, sont, ils, sont, ils ont un regroupement, hmm. une association, n'est-ce pas, pour euh, pouvoir, euh, n'est-ce pas, aller discuter avec euh, les autorités municipales de la ville de, Niamey. Je ne sais pas. Hmm. Pris isolément, individuellement, peut-être que chacun sera, n'est-ce pas, mis devant ses responsabilités à l'entrée de la ville de, de, Niamey. Hmm. Voilà. Oui, dans le communiqué, ils ont donc euh, évoqué des questions sécuritaires, d'où la prise de cette décision. Mais au-delà de cette décision d'interdire euh, l'entrée ou bien euh, la vente de la paille et autres, quelle autre action a renforcer par les autorités face au risque, comme ils l'ont dit, élevé d'infiltration Oui, moi, j'ai circulé un peu dans la ville de Niamey hier, euh, curieusement, hein, mais j'ai vu que vraiment la sécurité n'est pas un jeu d'enfant. La police est à tous les, à tous les grands carrefours. Je ne peux pas un pas ou deux. Hein, c'est vraiment, et surtout les jeunes euh, que j'ai vus. Euh, il y a également la société civile, les brigades de veille. Donc, la, la, la, société civile est vraiment en train de, de jouer sa partition dans cette question de prise en charge, n'est-ce pas, de la question et, euh, euh, sécuritaire. Mm, mm. Comme elle a joué par le passé, euh, autant fort, n'est-ce pas, des menaces, n'est-ce pas, des agressions de, notre pays, ça, ça donc il faut lui tirer un chapeau. Je pense que les gens savent déjà qu'on vit mm. un contexte d'insécurité depuis pratiquement une décennie. Donc les gens savent qu'il y a des problèmes aujourd'hui qui sont liés au contexte sahélien et tout ça. Bon, évidemment, euh, c'est peut-être pas trop de dire aux gens soyez vigilants. Euh, il y a toujours des menaces et tout ça. On peut, on peut le dire. Il est vrai que euh, à force de dire aux gens il y a, y a, la menace, il y a la mhm. menace. évidemment, ça peut aussi avoir euh, d'autres conséquences. C'est-à-dire, euh, bon, la communication, c'est un art. Hein. Mm-hmm. il, faut, il faut éviter la saturation. Mm-hmm, mm-hmm. C'est-à-dire, il faut éviter la saturation, il faut savoir manipuler la communication de façon à obtenir les, les, les, résultats qu'on veut. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'aujourd'hui, la menace est uniquement sur la ville de Niamey euh, Est-ce que d'autres villes peuvent être concernées Je me rappelle, par exemple, la ville d'Agadez, à un moment, a été l'objet ah, justement d'attaques. Je crois que c'était des camps militaires ou quelque chose comme ça. Mhm. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, euh, c'est seulement la ville de Niamey. Mais, dans tous les cas, une chose certaine, à mon avis, il faut renforcer la sécurité et il faut surtout travailler à une bonne collaboration entre les FDS et la population. Là, je vois par exemple que même des réseaux de malfrats dans la ville des malfrats, des gens à bande organisée qui s'attaquent aux paisibles citoyens. Souvent, c'est grâce à la dénonciation que la mhm, police peut mhm. arriver à démonter tous ces, tous ces réseaux-là. À mon avis, euh, il faut réussir à travailler à une bonne collaboration entre les FDS et la population. Mhm. L'idée de dire, OK, je pense que c'est le ministère de l'Intérieur qui avait aussi sorti un communiqué un peu dans ce sens, non Pour dire, écoutez, euh, la sécurité, c'est une affaire de tous contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas simplement l'armée ou la police, mais c'est aussi la vigilance de la population qui peut aider, n'est-ce pas, à prévenir des attaques euh, lorsqu'il y a des personnes suspectes, qui peut aider, n'est-ce pas, à pouvoir agir sur ces personnes à temps, etc. Mm, mm, mm, Donc, à mon avis, il y a tout un travail de collaboration qu'il faut réussir aussi. D'accord, d'accord. Oui, Abdoulaye, un dernier mot la sécurité est une affaire de tous. La sécurité est une affaire de tous. Le communiqué du, ministère de l'Intérieur l'a clairement dit. Hein. chaque citoyen est un soldat. les, civils également sont devenus des, soldats. Et un gendarme, un policier, euh, quoi d'autre encore. Donc le communiqué du ministre euh, du général, général Mohamed euh, Tomba a été, a été clair. Il faut dénoncer, il faut être en alerte, il faut être vigilant et pour que nous soyons à bout quand même de ce qui va nous rendre la vie vraiment difficile. Merci bien. La sécurité donc est une affaire de tous. Il faut l'implication de tous et que la population dénonce tout suspect. Nous sommes donc au terme de ce forum de la presse. Merci Hassan Boukara de la radio alternative Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Merci pour vos analyses, décryptages sur nos sujets. Merci à vous de nous avoir euh, suivis, chers auditeurs ou auditrices des programmes de Studio Kalangou. N'oubliez pas le programme des jeunes euh, les samedis et dimanches dès 17h euh, avec l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA et les forums à langue et les samedis et dimanches. La technique a été assurée par Aseni Isaka. Je suis le fils Adam Sirfo à la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.